Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la suspension du Niger des instances de l'Union africaine. L'organisation continentale appelle à une solution diplomatique après le coup d'État du 26 juillet. Ensuite, nous parlerons de l'interview accordée par l'ancien président nigérien issifu Mahamadou au magazine Jeune Afrique au sujet du coup d'État du 26 juillet. L'actualité, c'est aussi la conférence de presse animée par le procureur général près la cour d'appel de Niamey au sujet de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et des médias. Pour euh, commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Maimouna Diado, journaliste indépendante. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative. Abachari Arimi, bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste indépendant. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Nous débutons le forum de la presse de ce vendredi 25 août par le communiqué de l'Union africaine au sujet de la situation du Niger. L'Union africaine suspend le Niger de toutes ses instances. Le pays a été le théâtre d'un coup d'État fin juillet. Toutefois, l'Union africaine se montre très réservée sur une éventuelle intervention militaire ouest-africaine pour euh, rétablir le président Mohamed Bazoum. Elle appelle à une solution diplomatique selon un communiqué publié le 22 août. Mamoune Diado, que faut-il comprendre à travers ce communiqué de l'Union africaine au sujet du Niger L'Union africaine ne fait que jouer son rôle en suspendant le Niger de toutes ses institutions, et comme ils ont l'habitude de le faire pour les autres pays aussi. C'est compréhensible. <coughs> oui, bon, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est une instance, en fait, c'est une organisation, ils font cela. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont revenus à de meilleurs sentiments en demandant à ce que ça se règle par le dialogue, par la diplomatie. C'est encore mieux que de soutenir la CDAO par rapport à l'envoi donc de l'armée pour rétablir l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce que ça change euh, pratiquement sur euh, la marche du pays Ça ne peut pas changer grand-chose sur la marche du pays parce que l'Union africaine, c'est à peu près la même chose que la CDAO, c'est vrai. La CDAO avait prôné quand même euh, l'option militaire. C'est ça que je suis en train de dire. Du moment que l'Union africaine refuse d'accompagner la CDAO dans cette ah. situation de l'envoi des militaires, on peut quand même s'en féliciter de l'autre côté pour ce qui est la décision de l'Union africaine. Parce que on avait, euh, en fait, on avait cette idée que l'Union africaine pouvait accompagner la CDAO, mais euh, nullement. Et maintenant, c'est de bonne guerre. Je pense que peut-être que ça va se résoudre comme ils l'ont souhaité. Et nous allons voir euh, les tout prochains jours ce que ça va donner aussi. Euh, Puisqu'il faut le dialogue qu'ils ont dit de prôner, on verra si le dialogue euh, pourra résoudre quelque chose. Selon vous, quelle va être l'issue euh, de ces négociations, de ce dialogue Mais l'issue de ces négociations, de ces dialogues, il faut d'abord se mettre en tête que on ne peut plus rétablir <laughs> l'ordre constitutionnel. Maintenant, il faut essayer, ils vont aller dans le sens euh, euh, d'aider les militaires ou bien le CNSP euh, à aller vers une transition très rapidement une transition. Peut-être le, le CNSP euh, avait donné trois ans pour la transition. Ils vont essayer de ramener les trois ans là pour réduire, certainement, mais ils vont quand même essayer d'accompagner cette transition. Il faut s'attendre à ça. Merci beaucoup, Mme Legado. à travers euh, le communiqué, euh, l'organisation continentale semble profondément divisée euh, sur l'option militaire de certains pays membres de la CDAO. Avez-vous d'autres informations au sujet de cette position de l'Union africaine Non, mais selon ce qu'on sait, c'est ce que nous avons lu et écouté, la réalité, c'est que l'Union africaine n'est pas si divisée que ça, en tout cas pas autant euh, que, la, CDAO. La tendance à l'unanimité se situe du côté de la non-intervention, parce que euh, ce n'est pas dans la tradition de l'Union africaine, dans tous les cas, d'intervenir militairement. Et c'est ce qui Dans un autre pays africain. Dans un autre pays africain, on ne sait pas où. Non. Et Normalement, si la CDAO veut intervenir, normalement, elle doit passer par l'Union européenne qui va aller aux Nations unies, poser la demande. L'Union africaine, euh, l'Union africaine. Oui, la CDAO va à l'Union africaine, elle va, qui va à l'Union, à l'ONU n'est-ce pas, demander au nom de la CDAO cette intervention-là. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, à mon humble avis, au niveau de l'Union africaine, il n'était pas si divisé que ça. Bien sûr que les pays de la CDAO qui prônent cette intervention-là sont déjà aussi membres de l'Union africaine, puisqu'il s'agit de tous les pays euh, africains. Et euh, on sait que c'est des pays euh, de poids lourds pour certains, n'est-ce pas En tout cas, même si c'est théoriquement, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas Qui portent même au niveau de la CDAO cette option-là. Et donc, ils ont dû aller faire leur plaidoyer là-bas. Et donc, ils ont certainement eu des gens qui ont euh, adhéré, même si on a vu aussi des voix discordantes, notamment le président burundais qui n'était pas du tout d'accord. Et il disait qu'au niveau du Conseil de sécurité de la. du Conseil sécurité. de, l'Union africaine. africaine, ils étaient divisés, mais que le non, en fait, le non contre l'intervention l'a emporté. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, c'est un débat d'idées. Oui, mais euh, est-ce que l'opinion nationale au sein des, pays de l'Union africaine n'a pas pesé beaucoup dans la balance au détriment de l'intervention militaire Une chose est sûre, c'est que euh, nous, peuple nigérien, nous devons nous réjouir. En tout cas, je n'ai pas encore vu des voix qui s'élèvent des voix ou d'intellectuels ou de simples citoyens qui s'élèvent pour dire que non, il faut aller écraser euh, les Nigériens pour leur imposer la démocratie. C'est en cela que euh, c'est bien. J'ai comme l'impression que les gens ont un petit sentiment à notre égard. Et c'est en cela aussi que pendant des dizaines d'années, oh, oh, le Nigérien s'est fait respecter, le Nigérien s'est fait désirer par vraiment euh, le reste du continent. Et je n'ai pas vu quelqu'un qui dit non, écoutez, c'est l'armée du Niger, ils ne sont pas ci, ils ne sont pas ça, il faut aller. Heureusement, il n'y a pas. Et je crois que même au Nigeria, le président du, euh, du Nigeria, Tounoubou, euh, je crois qu'il en a pris un peu pour euh, son compte au vu de la mobilisation des nordistes, au vu de la mobilisation des intellectuels nigériens. J'ai même vu une pétition signée par ces, derniers-là qui s'opposent catégoriquement à une intervention militaire. Ils ont même plaidé pour l'allègement des euh, sanctions, des, sanctions notamment économiques, la fermeture des, frontières, la non-entrée des produits vivriers, euh, la coupure de l'électricité qui vient du Nigeria, tout ça. Et c'est la même chose par, même dans, les pays euh, où le président, par exemple au Bénin aussi, les Béninois, on, sent qu'ils ne sont absolument pas pour. Oui, mais mais euh, faut-il se réjouir de cet éveil des consciences africaines Oui, je, pense que si. Et si cela n'arrivait pas, c'est ça qui était vraiment grave. Et d'ailleurs, beaucoup pensent comme les Nigériens du commun, du mortel, n'est-ce pas, que c'est des puissances extérieures qui sont derrière leurs dirigeants, et qu'il ne faut pas écouter ces gens-là. Ce n'est pas l'aspiration du peuple vraiment à la base, ce qui est bien, parce que les, les peuples sont à la base les mêmes. Euh, nous, nous avons, je ne sais pas si c'est un privilège, mais nous sommes un pays, euh, nous sommes un pays enclavé, et de tous les côtés, n'est-ce pas Ce n'est pas de l'eau que nous avons, mais c'est les mêmes peuples que nous avons. Si vous allez à Difa, les gens de Difa, c'est euh, chacun a des parents du, Nigeria, même parfois du Cameroun, du Cameroun, du Cameroun. Et de l'autre côté, c'est la Libye, il y a l'Algérie. Vous avez vu comment les Algériens sont en train de prendre en main cette affaire-là, parce que pour eux, il n'est pas question d'intervenir euh, militairement au Niger parce qu'ils ont déjà un pays voisin qui a vécu la cette situation-là et qui a embrasé tout, tout le Sahel. Et ils savent que c'est la même chose. Le Niger, c'était aussi grand que la Libye, c'est plus grand que la Libye. Si on ne fait pas attention, si on se permet d'être dans la même situation que la Libye, mais l'Algérie est foutue, ils le savent n'est-ce pas Parce que ça va relativement au Niger que l'Algérie a tranquillement géré sa situation au sortir des années 90 qui ont été très difficiles chez eux. Et aujourd'hui, ça va. Euh, c'est la même chose. Il n'y a même pas de doute du côté du Mali, et du Burkina, n'est-ce pas, qui sont prêts, y compris, à mourir pour nous. Euh, donc le peuple nigérien, je crois que c'est des leçons euh, qu'il faut tirer de cette affaire-là et qui nous rapporte quand même quelque chose. Ça un peu, je dirais, un peu rehaussé notre cote de popularité. On sait que les gens nous portent quelque part dans leur, dans leur cœur. Bien sûr que nous sommes des gens très gentils, tout le monde le sait. Merci beaucoup, Abouchari Arimi, Issamadougou. Euh, le Conseil de paix et sécurité dit rejeter fermement euh, toute ingérence extérieure d'un acteur ou d'un pays extérieur au continent, y compris les engagements des sociétés militaires militaire privé. Que peut-on comprendre au sujet de la position de l'Union africaine ben, L'Union africaine, euh, conformément à ses principes fondateurs, se euh, base sur ces derniers pour faire son communiqué, pour se positionner par rapport à une situation. Donc ici, le cas dans ce communiqué qui est issu de la réunion, parce que ce n'est pas une nouvelle réunion, hein, c'est la réunion du 14 mm. août dernier qui a fait l'objet de ce communiqué, où beaucoup de gens se à sont... À travers le Conseil Pays Sécurité. Oui, où beaucoup de, de personnes se sont opposées euh, à une intervention militaire au, Niger parce qu'ils disent que ce n'est pas dans leurs principes. Et d'ailleurs même, cela ne relève que de, des prérogatives du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ici, on peut analyser ça sous un autre angle parce qu'on sait que l'Union africaine, vous savez, souvent par rapport à ce contenu de son financement qui vient en grande partie de l'Union européenne. Et quand on dit l'Union européenne, on y voit toujours la France qui aujourd'hui fait des pieds et mains pour que cette situation au Niger se trouve en sa faveur. Il dit c'est la crainte. Mais, si, la France peut manipuler certains pays africains, euh, africains, c'est pas le cas chez beaucoup d'autres euh, pays euh, à l'échelle continentale. Non, on n'a pas dit tout le continent. Mais quand même, il y a des gens que la France arrive à manipuler. Quand on voit aujourd'hui, il y a tout aujourd'hui ces trolls-là qui bombardent des fausses informations sur le Niger. Donc quand vous essayez de les pister, la majorité sont basées en Côte d'Ivoire et dans quelques pays de la sous-région. Donc on connaît les liens de certains, comment ils ont des rapports qu'ils entretiennent. Mais que cela ne tienne. Aujourd'hui, ce communiqué démontre une fois de plus que quand les choses se sont déroulées, il faut pas faire des revendications utopiques. La CDAO, son problème, principalement avec les autorités, c'est le fait de dire il faut rétablir les autorités de la 7 les, les, autorités déchues. Déchues. Mais c'est utopique. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ont déjà une ordonnance portant création du CNSP, une ordonnance portant réorganisation des pouvoirs publics, un gouvernement déjà en place. Mais qu'est-ce que vous voulez, ça ce n'est plus. C'est pour cela. C'est-à-dire aujourd'hui, même cette euh, intervention dont je vois, c'est malheureux pour certains Nigériens qui soutiennent cette intervention militaire. Jusque-là, on attend qu'ils nous donnent des bases légales qui peuvent justifier cela puisque beaucoup de chercheurs euh, pensent qu'il n'y a pas de base euh, juridique euh, légale, qu'est-ce que peut-on espérer au sujet de l'issue des négociations, la voie diplomatique L'issue des négociations, c'est de discuter avec les autorités de la, transition et avoir une durée. Vous, avez écouté le médiateur Abdesalami Aboubakar Non, ben, non, je ne l'ai pas tellement écouté, mais je sais qu'aujourd'hui, les négociations vont se tourner autour de la durée de la transition. C'est tout mais il y a plusieurs aspects, peut-être lui il va ajouter, mais quand même la réhabilitation des, ou bien des, autorités de Chine, moi je pense que c'est une revendication utopique qui, qui ne passera pas. Peut-être on peut passer à la libération, procéder à la libération du président, euh, Mohamed Bazoum et sa famille. J'ai dit peut-être. Ça, ça, serait une bonne chose si on le libère aujourd'hui. C'est humanitaire si on le fait. Mais maintenant, quand les, la, la CDAO aujourd'hui, on voit avec ses propos va On a vu Tinubu qui a un peu dilué son discours. Mais maintenant, on a plus de problèmes dans son discours avec le commissaire ghanéen abdul Fattah Moussa, qui chaque fois dans ses sorties nous pointe du doigt et du mépris. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que dans cette situation, ce n'est pas de cette manière qu'il faudrait voir par le dialogue, nous-mêmes en tant que Nigériens, on peut trouver des solutions à nos propres problèmes. Mais vous, vous ne connaissez pas certaines réalités. Vous n'êtes pas venu même pour vous en savoir plus. Et d'ailleurs, même moi, c'est lui qui me pose le même problème, c'est le médiateur. C'est Abdou Salami. À mon humble avis, Abdou Salami, on l'a vu dans les années antérieures, Abdou Salami n'est pas le bon médiateur. Il fallait nous trouver un bon médiateur qui pourrait vraiment faire l'affaire de l'unanimité. Parce que c'est même Abdou Salami que moi, à mon humble avis, c'est mon opinion. Un médiateur hors des pays de la CDAO Non, hein. dans la CDAO, il y a tout. Aujourd'hui, il y a des leaders Aujourd'hui, il y a des gens dont la voix qui, qui ont en eux une certaine sagesse. Mais moi, c'est mon opinion, c'est mon avis personnel. Je votre pense opinion, que, que ce n'est pas la bonne personne pour être médiateur. Parce que pourquoi on l'a vu dans les années antérieures, comment il s'est comporté dans les cas de médiation. Aujourd'hui, ce que le Niger a besoin, c'est une compréhension d'abord de, des enjeux que la nation traverse. Aujourd'hui, quelles sont les priorités pour ce pays Et essayer de voir dans la mesure du possible à tracer une, euh, une transition de courte durée qui va définir des nouvelles bases à ce que nous puissions aboutir à une nation vraiment moderne, épris de paix et de justice. Merci beaucoup Issa Vous avez quelque chose à ajouter rapidement euh, Abachari rapidement. Euh, concernant Abdou Salami, mhm. euh, c'est un peu... Vous, l'avez écouté Je l'ai écouté de bout en bout, mhm. et d'ailleurs presque deux fois, parce que je suis retourné parfois pour écouter. Ok, ok. J'ai trouvé que d'abord le confrère, le journaliste qui a... De, BBC Afrique. J'ai aimé ces questions. Bon, je ne sais pas si lui il comprend correctement Hausa, mais moi, moi j'ai aimé. Mm. Et il a vraiment apporté des éclaircissements sur beaucoup de zones d'ombre. Par exemple, le fait qu'ils n'auraient pas été reçus à leur premier arrivée à Niamey. Il a dit non. Quand ils, euh, avaient été confinés à l'aéroport. Il, dit que. Non, mais justement, il l'a démenti. Il dit non, ce qui s'est passé, c'est que il y avait beaucoup de manifestants en, mm-hmm. ébullition, mm-hmm. n'est-ce pas Et les généraux leur ont dit non, vous restez ah, ah, vraiment, on ne peut pas vous recevoir parce qu'il y a le risque que mm-hmm. et les gens sont remontés contre la CDAO. Comme vous êtes des émissaires de la CDAO, vraiment, vaut mieux retourner. Et quand les choses vont se calmer, vous allez revenir. Il dit que ils étaient avec l'ambassadeur du Nigeria qui était en vacances au Nigeria et ils sont venus avec lui. Donc lui, il devait rester et ils sont retournés. Après, ils l'ont appelé. Il dit Ah oui, moi-même, quand je suis sorti, j'ai failli être lynché. Heureusement, les militaires étaient là, c'est eux qui m'ont sauvé. Et maintenant, je suis arrivé chez moi. Il dit donc ça, c'est ce qu'ils ont fait, il dit que c'est une très bonne chose. On ne doit pas les laisser, laisser les, manifestants les léger. Donc, ça, vraiment, il a écrit parce que il a été quand médias ont utilisé ça comme étant un point noir dans le comportement, quand même, de Comme un manque de respect à Justement, justement. Et plusieurs points de ce genre, il les a éclaircis moi, j'ai bien aimé vraiment. son intervention. oui, les questions étaient très bien posées. Sincèrement, le confrère était. Son interview était bien ficelée. Donc. Maintenant, en ce qui concerne l'intervention, normalement, même au niveau de l'Union africaine, j'ai discuté avec certains spécialistes, c'est trois choses qui peuvent justifier une intervention dans un pays. Le génocide, en cas de génocide, euh, voilà. en cas de violation massive, des, droits de l'homme n'est-ce pas Et agression extérieure, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de l'extérieur. Ce qui fait que où la CDAO aurait pu réagir contre toutes ces attaques, n'est-ce pas, djihadistes, terroristes dans notre pays. Ils ont fermé les yeux. Certains sont allés chercher jusqu'à des, des, Rwandais pour se protéger, considérant que nous, nous allons encore croupir dans le... Et aujourd'hui, ils sont passés maîtres dans le fait de venir nous attaquer. C'est ça qui est extraordinaire et qu'on ne comprend pas. En fait, moi, à mon humble avis, il y a quelque chose qui ne cloche pas les gens ne sont pas porteurs de leur propre message. merci beaucoup à tous. On a terminé une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Après des semaines de silence suivant le coup d'État du 26 juillet, Mahamadou Issoufou, l'ancien président et figure clé de la première alternance démocratique du pays, s'est exprimé lors d'une interview accordée à Jeune Afrique et diffusée le 17 août. Malgré les rumeurs et accusations l'impliquant dans le putsch, il rejette ses ces allégations, les qualifiant d'archifaux. et affirme entretenir des communications quotidiennes avec euh, Bazou Mohamed, euh, le président déposé, et exige sa libération et sa restauration dans ses fonctions. Sur la question du coup d'État, Issoufou Mahamadou laisse entendre euh, sa désapprobation sans la formuler expressément. Abacharanimi, l'ancien président nigérien Issoufou Mahamadou, a mis presque trois semaines avant de s'exprimer sur le coup d'État au Niger à travers un média étranger. Pourquoi ce si long silence de Issoufou Mahamadou au sujet du coup d'État du 26 juillet passé Ça fait douter le comportement du président Issoufou. Aux premières heures. C'est le Nigérien qui le dit. C'est le Nigérien qui le dit. Et personnellement aussi, j'ai douté, comme tous les Nigériens, euh, du comportement du président Issoufou. Parce que les raisons évoquées euh, par les généraux quand ils ont pris le pouvoir, euh, la mauvaise gouvernance, euh, la corruption, la situation sécuritaire, étaient beaucoup plus dramatiques du temps où le président Issoufou était, était quand même à la présidence à en activité. Étant dans le pays, le président Issoufou n'a quand même pas été inquiété. D'ailleurs, on disait que lui et son premier ministre légendaire parce qu'ils ont fait dix ans ensemble, n'est-ce pas était négociateur pour la libération, dans un premier temps, du président euh, Bazoum, n'est-ce pas essayer essayait de jouer le médiateur entre les partis, n'est-ce pas Ça, ça fait douter. Quand vous êtes le principal remis en cause, mais que vous n'êtes pas inquiété. Un moment aussi, on disait que son propre fils n'était même pas arrêté et que même sa sécurité était garantie par la garde présidentielle. Ça aussi, ça a fait que cette rumeur-là, moi, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas les moyens de vérifier ça, mais ça a fait que les gens ont douté. Donc, tous ces aspects-là, et il n'est pas sorti pour condamner après un petit euh, tweet, n'est-ce pas euh, où il n'a pas condamné, où il a un peu dénoncé euh, le coup d'État en marche en ce moment-là et tout. Il n'a rien dit pour dire que je condamne, moi, en tant que président, ayant donné pour la première fois le pouvoir à mon prédécesseur, à mon successeur, je condamne. c'est ça que les gens voulaient. est-ce que c'est le même point de vue au sein de son parti, le Pendestaria Aujourd'hui, le, Pendestaria est divisé à cause de, de cette situation-là. Divisé en, en, combien de clans, en de clans En tout cas, au moins, j'en vois au moins deux. Mhm. Euh, il y en a qui sont dans le PNDS traditionnel, ils défendent, le, point de... le point de vue du président, euh, de l'ancien président Issoufou Mahamadou. Et il y en a, j'ai vu même un ministre qui a communiqué pour dire que lui, il est vraiment contre l'intervention dans son pays, naturellement comme nous tous, mais qui a été aussi un peu pris en partie par d'autres qui disent que non, il n'est pas un digne fils, il ne mérite pas de la confiance du président Bazoum et tout. Maintenant, j'ai lu l'intervention du président Issoufou dans le Jeune Afrique et il a posé une question qui m'a quand même, moi, un peu désarçonné euh, dans ma façon de voir, dans le fait que je l'ai condamné un peu avant. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à gagner à travers, le à travers un coup d'État ça, il, aurait beaucoup perdu. Voilà, il dit qu'il a tout, il a tout à perdre, mhm. rien à gagner. Ça au moins, euh, sincèrement, pour c'est une vérité à mon avis, à mon avis. Maintenant, le pouvoir, il est ce qu'il est. N'est-ce pas Il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. Euh, il y a ce qui est passé, mais le Niger futur, que chacun décrit comme étant un Eldorado, peut-être, c'est notre souhait à tous, mais que chacun qui veut se positionner par rapport à cette situation qui va venir. c'est plein de choses. J'espère que celui quand même qui a remporté le dernier prix, Mo Ibrahim, ne serait pas impliqué euh, cette, dans, cette affaire. Sinon, ça ne fait que compliquer notre affaire. Mais le PNDES, hein, ils ont fait 12 ans de pouvoir. C'est ce qui arrive à tout le monde. C'est ce qui est arrivé au MRSD. Ça va aussi leur arriver après l'apogée. C'est nécessairement le déclin. Merci beaucoup Abacharami, Issa Madougou, Mohamedou Issoufou euh, qui avait euh, nommé euh, le général Tchani à la tête de la garde présidentielle en 2011 a tenu à faire taire les rumeurs qui lui prêtent un quelconque rôle dans le renversement de son successeur, le président Bazoum Mohamed. Quelle est votre opinion au sujet de cette affaire Heureusement que Abba avait évoqué cette partie moi, c'est. Laquelle, laquelle des parties Qu'est-ce que j'ai à gagner ah. oui. Moi, c'est. Quand je lisais l'entretien avec François Soulan, c'est cette partie qui m'a un peu captivé. Et quand qui m'a qui, qui, qui m'a un peu captivé. Hmm. Parce que quand je regarde un peu, en fait, lui, il est même un, des plus grands perdants dans cette affaire. Parce que le système qu'il a mis s'est écroulé. C'est complètement écroulé. Mais, ce cela ne veut pas dire après moi le lourge Mieux vaut sombrer ensemble que euh, de subir euh, quelque. Est-ce que que c'est pas ce langage qu'il faut voir Non, ça c'est trop facile à le dire, mais écoutez, aujourd'hui, c'est tout le PNDS qui a perdu. C'est tout le PNDS qui a perdu. Et le PNDS est en train de vivre ce qui devrait arriver à une formation politique qui a son apogée. Aujourd'hui, vous voyez, depuis la sortie de Mamadou Soufou, moi j'ai fait le constat, comme Abba l'a dit également, qu'il y a deux clans dans le PNDS. Il y a des gens, mais j'ai vu des postes, des écrits, des gens qui sont du Pendes qui appellent Youssouf Charlie. Vous vous rappelez, c'est un terme qui est utilisé par l'opposition. Aujourd'hui, il y a clairement deux camps. Et c'est normal que c'est dans la vie vraiment d'une formation politique, une association de personnes, que quand les intérêts, on n'a pas pu vraiment être dans la même logique, on se retrouve dans ce genre de situation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, le PENDES, c'est le PNDES qui est déjà à la base de son problème, à la base de sa chute et aujourd'hui à la base également de sa division. Donc c'est à eux de gérer leurs problèmes en interne. Mais comme on veut tout de même euh, faire croire, moi je pense qu'aujourd'hui, déjà c'est déjà fini. Hein. Il ne faut, il faut pas se faire, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui on est dans une dynamique de transition. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le CSP est là. Le CNSP. Le CNSP est là le Conseil national de la sauvegarde de la patrie, ils ont leur gouvernement, ils ont tous ce que les arsenals qui sont là, ils sont en train de faire leur mieux et les prochains jours vont nous édifier juste par rapport à ces négociations-là qui ont été entamées. Et d'ailleurs, même le dernier message à la nation a été un peu plus clair, le général euh, Tchani a été un peu plus clair sur les ambitions du CNSP. Moi, je pense que. Il n'y a pas de doute à, se faire. Il y a, non, non, quand vous parlez de nomination de, de, Tchani c'est un militaire il a, il, a, il a obéi à un président de la République. Un militaire, il a toujours ce caractère républicain, ce devoir républicain qu'il appelle. C'est un militaire avant tout. Quel que il soit. Pas de rédévabilité. Il faut, il faut nous arrêter ce genre de redévabilité que vous voulez coûte que coûte porter. Pour dire, c'est comme lier les personnes pour dire que non, je suis redévable. Que on est rédévable que Allah qui nous a donné la vie, qui nous permet d'expirer à chaque instant. C'est un militaire avant tout. Il a servi un président de la République. Aujourd'hui, c'est se retrouve président de la République. Mais bon sang, où est le paradoxe Est-ce qu'il y a seulement une catégorie de Nigériens qui sont... Euh, même les manières, c'est vrai, le coup d'État, pour tout démocrate, et démocrate que nous sommes Nigériens, nous sommes contre leur prise de pouvoir par la force. Mais quand c'est justifié, aujourd'hui, connaissant la situation actuelle du Niger, mais c'est bien normal. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est ce que je l'ai dit avant-hier tout récemment sur ce plateau. C'est au moment même où les Nigériens cherchent à comprendre les ténèbres et aboutissants de ce coup de force que la CDAO est venue comme un effet de, bombe, galvaniser les Nigériens, mobiliser les Nigériens autour des, militaires. Et aujourd'hui, on voit, aujourd'hui, les militaires bénéficient du soutien populaire. À, un, un, peu partout à travers euh, tout le pays. À travers tout le Vous avez vu. Dans toutes les communes du Niger, il y, a eu des manifestations. À part le meeting de Niamey, est-ce que vous avez vu le meeting de Zander est-ce que vous avez écouté ce que les discours qui ont été prononcés C'était pas trop partisan ou bien venir faire le jugement de quelqu'un. Non, ce sont des discours patriotiques. Ils ont mis en avant, même les marabouts, ils ont mis en avant le caractère républicain du Niger. Et les manifestations, c'est pas fini. C'est pas fini, ça continue. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on va en venir prochainement, sauf qu'il faudrait les encadrer avec des messages clairs qui appellent au patriotisme, à une, qui essayent de sensibiliser les gens plus à une éducation citoyenne, vraiment à ce que les gens se comportent d'une manière exemplaire. merci beaucoup, merci beaucoup Issa Madougou, euh, Dans l'entretien avec euh, le magazine Jeune Afrique, Issoufou Mahamadou explique très mal réagir aux accusations selon lesquelles il aurait joué un rôle dans le coup d'État et il affirme Mon exigence n'a jamais varié. Je demande la libération du président Mohamed Bazoum et sa restauration dans ses fonctions. Que peut-on retenir au sujet euh, de ce passage de cette affaire, au sujet du coup d'État moi, je pense que, en fait, ici, il veut être euh, juste clair que ce que les gens qu'il faisait partie, donc c'est lui-même l'instigateur de ce coup d'État. Il n'en est rien, qu'il demande la libération de Mohamed Bazoum. Euh, déjà que nous savons que c'est son dauphin. Et ensuite, euh, il n'a pas. En fait, il doit aller dans le sens là pour montrer qu'il n'a rien à voir mais avec. Pourquoi attendre trois semaines avant de réagir ce qui a quand même marqué beaucoup l'esprit de beaucoup de Nigériens. Oui, oui, ça a marqué beaucoup l'esprit de beaucoup de Nigériens parce que les gens se demandaient, celui qui, jusqu'à présent, il n'a rien dit, il s'est tu, donc peut-être que c'est une réalité. Parce que faisant 12 ans avec euh, le général Tchani, euh, et du coup, le même jour, euh, on avait entendu, même si ce sont des rumeurs, qu'ils étaient quand même euh, en train de négocier avec euh, son ex-premier ministre, en train de, négocier avec la jeune pour pouvoir euh, trouver un consensus autour donc de la situation. Moi, je me dis que bon, il n'est pas trop tard quand même pour réagir. Et il l'a fait. la déclaration du Souf Mohamed vous a convaincu euh, c'est pas qu'il m'a totalement convaincu, mais ça a permis de taire quand même euh, les suspicions des uns et des autres, même si jusqu'à présent, il y a ceux qui euh, <laughs> continuent à croire qu'il est derrière cette situation-là. Ce n'est pas votre cas. Ah, moi je, la <laughs> Je, préfère euh, euh, garder en tout cas <laughs> ton point de vue. Pour... de pour euh, moi. je voudrais juste ajouter par rapport aux accusations que les gens portent à son égard. Mais c'est parce que c'est lui, aujourd'hui, on ne s'attendait pas quand il avait eu l'alternance que lui-même il vienne habiter à quelques mètres de la présidence avec une garde pléthorique il fallait disparaître, aller occuper, aller vendre ses, talents dans d'autres pays. Mais il est toujours là, il est devenu l'épine dans les pieds du président. Mais c'est bien normal. Et quand on voit, même au temps de Bazoum, on sent qu'il y a aussi un autre craint qui s'est resserré autour de lui. Donc c'est lui qui a... Un certain bicéphalisme autour, de la présidence. oui, dans la gestion des affaires étatiques. Et donc c'est bien normal que les gens se lui prêtent ce genre d'idée d'être en connivence avec. C'est lui. Parce que s'il il avait disparu carrément de la situation, parce qu'après la présidence, il y a une vie. Mais on a senti que euh, le président part en vacances, lui aussi il part en vacances, il y a aussi cette, ces délégations qui vont aller lui Merci beaucoup Issa Donc c'est lui qui a donné l'occasion à ce Niger et c'est bien normal et c'est bien fondé que les gens, même si aujourd'hui malgré son, sa sortie médiatique, les gens restent toujours vraiment très un peu Merci beaucoup, par rapport à ses euh, positions. allez-y rapidement. En fait, en fait, c'est comme si c'est un troisième mandat caché en fait qu'il est en train de, <laughs> poursuivre. Merci beaucoup à tous, on a terminé une courte pause. Dans un point de presse animé lundi, le procureur général près la cour d'appel de Niamey s'est insurgé contre la persistance des publications sur les réseaux sociaux et des médias d'articles tendant à compromettre la quiétude, la paix et la stabilité sociale au Niger. C'est pourquoi le parquet général a instruit les procureurs de la République et tous les autres assurant les fonctions du parquet d'engager des poursuites contre les contrevenants. À le parquet général a instruit euh, les procureurs de la République à engager sans faiblesse aucune euh, des poursuites euh, contre toutes les personnes qui se livreraient à publier sur les réseaux sociaux et les médias d'articles de type à compromettre la quiétude, la paix et la stabilité sociale au Niger. Quelle est votre opinion au sujet de cette sortie médiatique euh, du procureur général près la Cour d'appel de Niamey Vous savez, c'est une loi qui, qui existe. La loi sur la cybercriminalité. voilà. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit et il s'agit de l'appliquer. Et malheureusement, il faut reconnaître qu'avec le coup d'État, n'est-ce pas, les publications euh, vraiment, excusez-moi du terme, mais de caniveau sont aussi quand même très répandues. Aussi, Vous avez aussi fait le, constat ah, J'ai aussi fait le, constat. Mais bon, c'est une période de crise. Normalement, il devait y avoir aussi des cellules de crise qui s'en occupent, euh, qui permettent de filtrer rapidement, de démentir tout ça. Ce n'est peut-être euh, pas le cas. Mais euh, il faut faire extrêmement attention, c'est un couteau à double tranchant. Parce qu'une chose est euh, ceux qui font de quoi vraiment pour nuire, n'est-ce pas, qui, ou qui diffusent de la euh, fausse information. L'autre chose, c'est que la vraie information aussi peut être souvent sanctionnée. non, sanctionnée même quand ça ne convient pas à certaines personnes. Donc c'est ça, euh, j'espère j'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de discernement, n'est-ce pas Qu'on laissera faire euh, les professionnels, n'est-ce pas, feront correctement leur travail. Et euh, parce qu'aujourd'hui aujourd'hui, avec le numérique, quel que soit ce que la personne fait, normalement, il y a un moyen. Parce qu'il a, il y a quelques mois, on a connu beaucoup de difficultés. Hein. Certains de nos confrères ont été inquiétés pour avoir partagé certaines informations, euh, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas écrites, qu'ils n'ont pas vraiment traitées, n'est-ce pas, juste pour avoir euh, partagé. Donc, on espère que de tels actes ne se propageront pas, ne se répéteront pas, et que euh, le professionnalisme sera privilégié, n'est-ce pas, et que l'information, qu'elle soit bonne, parce que c'est relatif, vous voyez, pour nous, la bonne information, c'est l'information qui est bien traitée, qui est bien vérifiée. Maintenant, pour euh, celui pour qui ou contre qui cette information-là euh, peut être, parce que normalement, l'information n'est contre personne, n'est-ce pas euh, c'est juste la vérité, c'est factuel, c'est le fait qu'on rapporte. Malheureusement, même dans ce cas, ça peut nuire à quelqu'un. Parce que, bon, il a commis une bévue, et on a dit la vérité, et voilà. S'il a les moyens, il peut dire à ces gens d'aller prendre celui-là, là, ou Donc, on espère que des choses comme ça n'arriveront pas. Et que vraiment, c'est juste pour défendre l'information, la vraie information que c'est fait. Et le reste, vraiment, il n'y a pas de problème. Par contre, l'utilisation des réseaux sociaux, on doit encore vraiment euh, on est dans l'apprentissage. Oh, c'est venu il n'y a pas très longtemps chez nous. Merci beaucoup, Abachari Arimi et Maïmoune Diado. Selon le procureur Mazou Umaru on ne saurait euh, tolérer cette forme d'expression des libertés en ce le véhicule euh, le virus de la division, d'agression de notre euh, pays. Comment amener les Nigériens à s'inscrire dans le cadre de la promotion d'un code de bonne conduite sur les réseaux sociaux notamment Il faut d'abord sensibiliser euh, les internautes, les Nigériens, là, par rapport justement à cette loi de cybercriminalité. Les Nigériens ne sont pas sensibilisés Non, mais c'est pas, mais, hein. c'est, pas suffisant, en ah. fait. Comme je dis, c'est pas suffisant. On, peut, la répétition, elle est toujours bonne. Euh, aller vers euh, la sensibilisation, les faire comprendre qu'aujourd'hui on a intérêt à aller à regarder dans la même direction. Euh, on n'a qu'une seule. C'est pas toute information qu'il faut diffuser, partager. Mais, c'est ça en fait, parce qu'aujourd'hui on les Nigériens sont très rapides quand il s'agit de partager des, informations. Il y, a, il certains même qui diffusent euh, des propos haineux. Mais c'est ça. Alors que normalement quelque chose que tu ne veux pas pour toi-même, tu ne devrais pas en tout cas partager pour toute toute la nation. Parce que c'est très rapide en fait. Les réseaux sociaux, manipuler quelque chose, envoyer, c'est très rapide. Et, c'est trop facile aussi. C'est trop facile aussi. <laughs> Mais il faut prêter attention. On ne peut pas aujourd'hui laisser des gens nourrir la haine, faire porter des messages de haine, alors que nous sommes dans une situation très, difficile. très difficile. Déjà, regardez, même pas cette situation de, de, coup d'État. Il faut aller un peu euh, en arrière pour ce qui est de la situation sécuritaire, où on montre déjà comment est-ce que nos militaires, il y a des images choquantes en fait qu'on ne devrait pas partager mais qu'on le fait. Et en le faisant, on aide l'ennemi à propager cette peur à nous. Donc maintenant, moi je me dis que c'est bien bon euh, la sortie donc euh, du, procureur, procureur, mais comme l'a dit Armi, il faut également essayer de faire en sorte que les bonnes publications ou le travail des journalistes que nous sommes ne soit pas aussi un frein dans ce que nous sommes en train de faire. Tout ce qu'on doit faire, c'est l'éthique et la déontologie qu'on a demandé. La vérification des messages euh, que nous allons en tout cas utiliser ou partager. Et également, ah, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système de fake news. Donc il faut faire très attention. Moi, c'est ce que je voudrais faire passer comme message. Pourquoi ne pas aller dans le sens du patriotisme Oui, dans le sens du patriotisme. Partager, partager, oui, partager des messages. Rien qu'il des bons messages. Des bons messages, des articles, des articles où tout le monde peut se retrouver dedans, où il n'y a pas de fausseté, où il n'y a pas d'aller en guerre, où il n'y a rien de cela. Mais aujourd'hui, moi, je vois que des Nigériens, il y a des Nigériens qui applaudissent pour euh, <laughs> soutenir la CDAO dans cette démarche. Et moi, je me dis que c'est déplorable. Merci beaucoup, Memo Diado, Issa Pas plus tard que la semaine passée, sur ce même plateau, vous avez attiré l'attention du pouvoir public euh, sur euh, la désinformation, surtout à travers les réseaux sociaux et sur certains médias. Quelle est votre opinion au sujet de cette sortie médiatique du procureur général près la cour d'appel de Niamey en fait, euh, quand j'avais vu, j'ai pris tout mon temps pour écouter. D'abord, euh, avant même, euh, juste après son point de presse, sur le site de Kalangu que mhm. j'avais suivi mhm. sa réaction. Je me suis dit, ok, il y a un premier paquet là. Et depuis cette sortie, on a constaté quand même qu'il y a il y a une certaine modération. Il y a, les gens ont commencé à modérer. Mais je voudrais revenir un peu sur Cette, loi en question. Rapidement. En 2019, quand on avait voté cette loi, les structures socioprofessionnelles, les associations de défense et de droits de l'homme et des organisations de l'association société s'est levées pour dire attention, sur cette loi a un caractère liberticide. Parce qu'il y a des aspects. Vous vous rappelez, Ali Idris fait partie des premières victimes, mhm. juste pour avoir relayé une information. On a entamé des démarches un peu par, par, par des, synergies euh, d'organisation pour demander la modification. Il y a une certaine modification qui a eu lieu, mais qui ne répond pas réellement parce que, euh, aux attentes. Parce que cette loi a, dans certains articles, vraiment euh, qui constituent des entraves à la liberté d'expression et d'opinion dans notre pays. À l'époque, quand les gens dénonçaient cette loi, il y a une catégorie de Nigériens qui ont trouvé, c'est comme si c'est des actes anti-républicains par rapport à la position des Nigériens. Et voilà, on réactive. Moi, je suis choqué. Ça me fait rire quand je vois des gens qui disent non, on a réactivé la loi. Mais cette loi que vous avez défendue, quand on vous disait faites attention, mais je pense que ça ne va pas encore retarder le plaidoyer. Le plaidoyer va continuer avec les autorités. La révision de la loi. Non, il faut que ça soit révisé. ça soit révisé, franchement. Au sujet de la sortie médiatique du, le procureur, moi, je pense que c'est une bonne chose. Il faudrait que les gens se ravisent. Il faut que les gens comprennent que nous sommes toujours dans un état de droit. Un pays qui a ses propres lois. Le code pénal n'est pas suspendu. Hein c'est la Constitution qui est suspendue. Donc tout acte qui pose des actes condamnables par le Code pénal seront traités sans faiblesse. Il faut que les gens comprennent. Aussi, quand tout à l'heure vous parlez de... Il y évidemment une charte de l'utilisation des réseaux sociaux dont le web activiste mhm. était à la base de sa rédaction. Mais ça n'a pas été euh, peut-être Que, non, peut-être que ça n'a pas été vulgarisé mhm. ou bien ça a été vulgarisé dans un cadre restreint. Mhm. Mais ça existe. Et aujourd'hui, moi, je pense que par rapport à la prolifération des fake news et une certaine accentuation de la désinformation. Rapidement. Ça revient également aux acteurs, ou aux professionnels de l'information. J'ai dit professionnels parce que c'est différent de communicateurs. De l'information, les web activistes également et les influenceurs du contribuer parce qu'on sent déjà qu'au Niger, il y a une certaine sensibilité à la désinformation. Quand quelqu'un publie une information qui n'est pas du tout vérifiée, vous voyez déjà, il y a des réactions des gens qui vont dire Est-ce que vous avez vérifié Est-ce qu'il y a des preuves Mais maintenant, moi, je pense que ça devait être un message clair. Pour finir, Rapidement. moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui, pour les manifestations, moi, je pense que c'est des occasions également de tenir des messages vraiment de sensibilisation à ce que les gens prennent en considération certains paramètres par rapport à leur comportement. Merci on le Niger avant, Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Euh, merci à nos invités et Diado, journaliste indépendante, Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative et Issa Madougou, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la fin. Fada. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche celui en Zarma. Merci aussi à la technique côté son assuré par Issa Lawali, à la réalisation Mustafa Ayuba. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.